forum du le forum du forum forum forum forum forum forum forum forum 8 heures passées de 15 minutes à Niamey. Messieurs, dames, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu à la présentation Reila Toussoumana. Le Forum de Studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Comprendre le budget participatif, quelle utilité pour les administrés et la commune est la thématique dont nous allons discuter. Ce mécanisme permet aux citoyens de participer dans la gestion de la commune, une véritable collaboration entre population et équipe municipale. Alors, euh, qu'est-ce que le budget participatif euh, Comment est-il élaboré À quelle fin Quels sont les avantages pour la commune qui la pratique Comment les communautés en bénéficient-elles est-ce que toutes les communes disposent de budgets participatifs et de quoi se compose-t-il Le budget participatif est-il favorable à une gouvernance locale démocratique Ce sont à ces questions et bien d'autres que nos invités ici présents vont tenter de répondre. Avec moi dans ce studio, Monsieur Ali Maman, conseiller de ville de Niamey, ancien maire de la commune 3 de Niamey. Bonsoir. Et Monsieur Ilyas Boubacar, membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence. Bonsoir à tous. Euh, je le disais tout à l'heure, euh, dans le forum de ce soir, euh, nous allons tenter de comprendre le budget participatif et surtout son utilité pour la commune et aussi pour les administrés. Auparavant, la première expérience de budget participatif a été mise en place depuis 1989 par la ville de Porto Alegre au Brésil. Les expériences de ce dispositif se sont multipliées depuis lors dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Mais avant de se lancer dans le thème proprement dit, nous allons procéder à une brève présentation les principales missions assignées à vos différentes structures représentées ici. Monsieur Maman, à vous. Pour le moment, nous, on est en position de disons, une euh, situation euh, un peu boscornue, parce que euh, nous sommes conseillers de ville et donc à notre connaissance, naturellement, il n'y a que la, ou la révocation ou la dissolution. Or, ni l'un ni l'autre n'a eu lieu. Mais il y a un non-report de mandat, ce qui n'est pas connu en tout cas à travers donc les législations en cours. Maintenant, la structure Disons que c'est celle-là pour le moment. D'accord, merci. Monsieur Yassouf. donc, euh, merci. Nous, le ROTAB, c'est un réseau des organisations, comme euh, son sigle le définit, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Il est composé de 22 structures et nous militons pour la transparence et surtout l'analyse budgétaire. Donc, euh, au Niger, nous sommes. Euh, donc la, nous sommes la coalition nigérienne de publier ce que vous payez. D'accord. Donc euh, maintenant que les présentations sont faites, M. Euh, Monsieur Maman, je commence par vous. Avant de répondre aux différentes interrogations, expliquez-nous en termes clairs ce que c'est que le budget participatif. Oui, ce que c'est que le budget. Le budget est un document d'une manière générale, le budget en lui-même, d'abord avant d'aller au budget participatif. Parce que avant 2004, c'était effectivement des budgets qui étaient concoctés et euh, même la gestion de la commune était sous, disons, la responsabilité directe de l'administration, c'est-à-dire du gouvernement. En fait, c'est-à-dire le, le, gouvernement qui nomme les, les administrateurs délégués donc ici, ce n'était pas des budgets euh, participatifs, c'était des budgets qui sont conçus et puis ensuite le contrôle est fait directement par le ministre de l'Intérieur. Mais depuis 2004, quand même, il y a ce qu'on peut appeler le budget participatif parce qu'il y a la décentralisation qui est venue, qui a été installée et euh, il y a des élus qui ont pris fonction dans les différentes communes et ça a donc produit les effets dans un premier temps du processus de décentralisation. Euh, là, le budget en tant que tel comme je le disais, c'est un document qui euh, euh, récapitule les recettes seulement de la collectivité et les dépenses, et toutes les dépenses. Donc, ce qui est vraiment différent de, euh, l'ancien système. D'accord. Donc, sous combien de temps le budget de la commune est-il élaboré et pour quelle période le, budget communal est élaboré pour une période d'un an. il court à partir du 1er janvier au 31 décembre. Seulement, il faut donc le préparer bien avant, deux mois avant, Normalement, à partir de septembre, déjà, le budget de l'année qui suivra euh, euh, commence à être élaboré. Et euh, donc, il va être naturellement voté par le conseiller, par le conseil. Et à ce moment, le 1er janvier, ben, qu'il soit, qu'il soit, mis en application. D'accord. Merci, Monsieur Maman. Monsieur Iliassou, donc d'où proviennent les fonds qui constituent le budget participatif Donc je vous remercie comme euh, le maire l'a défini, ce que le, budget participatif, c'est un processus volontaire, ce n'est pas obligatoire au Niger. C'est des communes, donc notamment le conseil qui s'est réuni à travers une délibération pour adopter donc la mesure de mettre en application le budget participatif. Euh, donc euh, les communes qui ont décidé de le faire. Vous savez que dans le budget, c'est plusieurs rubriques. Il y a rubrique fonctionnement, il y a rubrique investissement. Donc c'est dans le volet investissement que le conseil qui a fait la délibération décide de mettre un montant de côté et dire que ça, c'est ça que nous pourrons mettre à la disposition dans, en termes d'investissement et c'est sur la base de ce budget-là que les populations vont se réunir. On commence d'abord par ce qu'on appelle la, les consultations populaires. Donc les différents villages, si c'est en campagne ou si c'est en ville, les différents quartiers vont se réunir pour dire quelles sont leurs priorités. Ils vont d'abord faire une analyse de la situation de leur localité, quel est le besoin actuel de la commune et ils procèdent donc au choix des problèmes qu'ils rencontrent. Et il faut une récitation. Maintenant, de ces consultations villageoises ou de quartier, on va à un autre niveau plus élevé qu'on appelle donc les consultations. Là, les différents délégués des quartiers ou des villages puisque tout le monde ne pourrait pas venir. Donc quand le village ou le quartier s'est réuni il désigne deux ou trois personnes, donc où on fait aussi la promotion des donc des préférences, on peut dire euh, un homme, une femme, un représentant des jeunes, des personnes âgées aussi. Donc ils vont se retrouver un jour, l'ensemble des quartiers de la zone vont se retrouver, ou l'ensemble des villages de la zone vont se retrouver. Et à travers cette rencontre-là, chacun des quartiers va dire, voilà notre situation. Et il y a ce qu'on appelle euh, l'équipe de conduite du budget. Donc cette équipe procède au recensement. On met par exemple, si vous prenez le problème d'eau, le problème de sécurité, le problème des classes, le problème des moulins, le problème l'ensemble. c'est priorisé. Donc, oui, donc on dit voilà les nombres de, préférences puisque la commune n'a pas les moyens, donc elle ne peut pas résoudre tout. Mais on peut vous dire de choisir par exemple 10 problèmes les plus cruciaux. Donc chacun des, villages va dire ses priorités. Donc, en fonction de ça, on fait un classement. Par exemple, si c'est un problème de combien de fois il est revenu Départ donc, les exposés des différents villages. Le problème qui est venu plusieurs fois là, c'est lui, on dit donc priorité numéro 1 de, la zone. Donc, on dépasse ce, niveau, on fait ce qu'on appelle euh, le forum des délégués. Donc les, les, zones qui se sont réunies ne se quitteront pas sans mettre en place aussi des délégués qui viendront au forum des délégués pour dire quels sont les situations recensées dans la zone et les agences. Maintenant, à partir de là, il y a ce qu'on appelle le forum communal. Donc le forum communal, c'est là où le maire et ses conseils plus euh, ses, techniciens vont être face donc au groupe des délégués où ils vont recevoir solennellement et officiellement les différentes discussions budgétaires qui ont eu lieu avec les différents villages, les différentes zones. Et à partir de là, donc, euh, ils font la priorisation. Une fois ce débat est terminé, il y a ce qu'on appelle euh, la réunion des techniciens pour élaborer ce qu'on appelle le plan d'investissement annuel. Mhm. Donc, c'est sur la base de ça qu'ils vont faire le budget. Et une fois le budget établi, le maire va convoquer ce qu'on appelle la session budgétaire. Alors, à la session budgétaire, ces délégués là vont être invités, ils n'ont pas voix délibérative, mais ils seront là comme témoins pour voir ce qui a été la préoccupation exprimée par les villageois, par les quartiers, par les, différentes zones, si c'est ça que, par exemple, la mairie ou la commune a décidé de mettre en œuvre en tant que tel. Mhm. Donc, une fois cette euh, phase terminée, on met ce qu'on appelle le comité des budget en place. Donc ce comité de budget-là va être chargé de suivre. Parce que le, voter le budget, le processus ne s'arrête pas là. Il faut procéder à sa publication. Donc les différents responsables, les différents délégués des zones-là vont venir au niveau de leur zone pour réunir tous les autres délégués des villages pour leur dire, bon voilà, nous nous avons été, voilà ce qui a été Une sorte de compte rendu. Voilà et on fait une liste, voilà les problèmes, et on distribue à chacun des villages, voilà, voilà ce qui a été retenu. Les délégués des villages vont retourner dans leurs villages respectifs du monde pour dire aussi que voilà ce qui a été arrêté. Maintenant, une fois cette phase terminée, on rentre directement dans le processus de l'application du budget. À six mois, normalement, la commune est censée se réunir pour voir, ils ont voté un budget en recettes et en dépenses temps. Voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous n'avons pas pu faire. Pourquoi ce que nous n'avons pas pu faire n'a pas été fait Et ensemble, si c'est des situations que le groupe peut dégager, on détermine et on réoriente. Mhm. Maintenant, on prend rendez-vous pour les six autres mois à venir, donc ils vont boucler, on va faire le bilan des, trucs. Et euh, il y a un aspect que je n'ai pas évoqué, c'est que le budget doit être réaliste. Mhm. Donc c'est sur la base des trois dernières années donc, puisque chaque commune connaît ses capacités de mobilisation. Donc, ils prennent les trois dernières années pour voir combien ils ont, eh, ils ont mobilisé on additionne et on divise. On pense que réellement à la quatrième année, on est en mesure d'avoir tel montant. Donc c'est sur cette base que euh, ça se fait. Je donne la parole à, M. Maman d'abord. Euh, comme il l'a dit, est-ce que en gros vous pouvez nous parler aussi des acteurs, les différents acteurs euh, qui interviennent dans l'élaboration de ce budget Oui, comme son nom le dit. <coughs> donc notre ami a effectivement euh, disons, les différentes étapes d'exécution du budget. D'abord de, préparation, Hein, l'élaboration, la, votation et maintenant jusqu'à l'exécution. Euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, ce qu'il faut retenir d'essentiel, c'est que c'est la gestion participative, si vous voulez, qui amène euh, euh donc euh, euh, l'élaboration d'un budget participatif. La, gestion participative, c'est quoi C'est que d'abord, vous avez une, des, des, des, des représentants, des élus. Lorsque vous n'avez pas d'élus, naturellement, vous ne pouvez pas obtenir une gestion participative parce que, euh, euh, euh, à la base déjà, le, le processus est faussé. Donc, il faut d'abord avoir des élus. Et quand vous avez des élus, effectivement, il faut aussi que, comme je l'ai dit, que les associations, je prends hum, les associations féminines, la société civile, les ONG, les partenaires au développement, c'est-à-dire tous sont associés, si vous voulez, dans l'élaboration, parce que dans tous les cas, eux, ils ont des choix. Si vous avez une banque de données en matière d'investissement, ben, ils vont sélectionner là, ceux qui les intéressent. Qu'est-ce qui est effectivement, parce que telle chose est plus importante chez celui-là. Effectivement. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine participation. Donc maintenant, quand effectivement euh, certains villages naturellement expriment le besoin, c'est tout à fait normal, ils expriment leurs besoins et ce besoin-là, en suivant le processus, euh, disons, euh, sélectif, c'est-à-dire d'abord c'est le quartier, ensuite maintenant ça vient au niveau du village, Hein, jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la commune. Donc de telle sorte qu'on a pris en compte, ça de tous les besoins des différents groupes territoriaux, par exemple lorsqu'il s'agit de villages ou quartiers, et des groupes sociaux lorsqu'il s'agit par exemple des associations, euh, notamment, euh, si vous voulez, les ONG et autres. Parce que effectivement, certaines associations n'ont pas de quoi, euh, si vous voulez, réaliser leurs projets, ou, mais euh, donc, euh, ces associations-là font en sorte, parce que la, commune signifie, si vous voulez, un lieu de rencontre. Et à partir de cette rencontre-là, effectivement, euh, certains partenaires peuvent être intéressés par, disons, les propositions hein, d'investissement au niveau de tel village ou tel quartier. Parce que vous voyez, maintenant, nous sommes déjà arrivés à la phase d'un processus multiforme. C'est-à-dire multi, c'est-à-dire que ça permet que lorsque vous avez un village, par exemple, on peut faire en sorte que euh, autour de ces villages-là, jusqu'autour de 15 km, qu'il y ait le système d'électrification, le système hydraulique avec des châteaux et tout, avec des bonnes fontaines mhm. et euh, les moulins et autres là. Donc ça devient, si vous voulez, ici une euh, pièce circulaire et autour d'elle, 15 km autour, donc il y a la possibilité d'urbanisation et de développement. Parce que tout ce qui compte là, si vous voulez, c'est d'abord le développement. Et arriver à faire développer les différentes entités, à, petite échelle, donc les différents quartiers, les différents villages et euh, naturellement euh, jusqu'à la commune. Merci, Monsieur Maman. Donc, euh, la Constitution du Niger du 25 novembre 2011 consacre à son article 169 alinéa 2 le principe de libre administration des collectivités territoriales. Est-ce que cela veut dire que toutes les communes de notre pays sont autonomes financièrement oui, ils ont une autonomie financière. La loi leur consacre cela. Seulement, naturellement, il y a des difficultés de gestion, il y a des difficultés d'hommes, il y a des difficultés d'administrer, etc. Euh, euh, parce que ce n'est pas tous. Les, il y en a qui payent leurs impôts, il y en a qui ne les payent pas. Or, euh, la principale ressource de la commune, c'est les impôts et les taxes. C'est vrai que l'État peut, peut, avoir à donner des, des subventions, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare mais il y en a ce qu'on appelle les impôts rétrocédés. Et ces impôts rétrocédés, de par la loi, ça revient à la commune. Sauf que euh, l'État, si vous voulez, à travers la, DGI, hein, a la possibilité de collecter ces impôts-là. Bon, souvent, la sortie pose problème. Euh, et vous avez entendu certainement certains maires se plaindre qu'ils euh, ont beaucoup d'argent au trésor et qui ne sort pas. Parce mhm. que, tout simplement parce que c'est l'État qui a collecté et que l'État aussi euh, en a besoin pour, euh, disons, sa gestion quotidienne. Donc finalement, ça fait un tiraillement et puis bon, euh, ce qui arrive arrive. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Iliassou. En ce qui concerne les communes dans lesquelles les ressources naturelles sont exploitées, comment bénéficient-elles des activités retombées Bon, ça, à ce niveau, il y a plusieurs volets. Il y a ce qu'on appelle la rétrocession de 15% que les textes euh, nigériens euh, concèdent donc à ces communes, que ce soit les zones où le pétrole est exploité ou les zones où l'or ou l'uranium est exploité. Mhm. Donc euh, on dit ils ont 15% de certaines taxes, c'est pas l'ensemble de la recette, mais c'est sur certaines taxes, ils ont donc ces, ces 15%-là. Et une fois ces 15% tombés, on a pris un acte pour réglementer l'utilisation dit que 80%, 90% doivent être à l'investissement 10 5% pour euh, euh, euh, le contrôle et l'autre pour le suivi. Mais maintenant, la loi est en train d'être révisée aussi pour que ça soit 85% pour l'investissement mhm. et les autres pour d'autres raisons. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. comprenez par exemple des zones telles que Agadez, particulièrement Arlit, mhm. il y a un fonds que les deux, les deux filiales d'Areva, notamment Cominac et Soumaïr, des euh, pour euh, permettre aux communes qui sont dans la zone de pouvoir euh, bénéficier d'un certain nombre d'investissements, bien que, oui, malgré que ces, ces compagnies-là ont créé souvent les conditions de la non-consommation de ce montant-là, puisque vous savez, l'une des faiblesses de notre administration, ceux qui n'ont pas, comme le tonton l'a dit, n'ont pas les cadres qualifiés pour procéder, puisqu'ils vous disent qu'il faut avoir un projet bancable. Donc, il faut monter un projet à mener. Or, la plupart de nos communes n'ont pas cette compétence euh, pour pouvoir le faire. Mais bon, avec euh, notre aide l'aide de certains partenaires, ça commence à, la mayonnaise a commencé à prendre. Nous avons donné plusieurs formations pour euh, les aider à avoir la même pour pouvoir rédiger des projets et aller pour pouvoir euh, toucher à, ce, à cet argent-là. Donc voilà les, manières euh, euh, réelles, c'est qu'ils pourront avoir. Je vous donne à titre d'exemple d'IFA, qui est la zone où le, pétrole est extrait, pour la première fois qu'ils ont eu la rétrocession, il y avait des communes qui se retrouvaient avec 400 millions. Alors que c'était des communes qui avaient des difficultés à pouvoir payer même les salaires, même les sessions annuelles, les sessions ordinaires du conseil ne pouvaient pas se tenir parce qu'il n'y avait pas de moyens de pouvoir le faire. Mhm. Donc c'est et à partir de l'idée, quand nous avons fait la lutte pour que ces rétrocessions-là aient lieu, c'est à partir de là aussi nous sommes, nous sommes engagés à accompagner les communes dans le cadre du processus du budget participatif pour que le citoyen puisse être au cœur de la décision, que le, la commune puisse dire aux, administrés, voilà ce que nous avons eu comme euh, argent et à vous de décider. Parce que généralement, par le passé, la différence entre les deux budgets, ce que l'autre budget, ce sont des commis qui se retrouvent dans un bureau. Ils disent que bon, nous allons faire ça à tel endroit, nous allons faire ça à tel. Or, euh, la meilleure façon de faire un investissement, c'est de demander aux bénéficiaires, quel est, aux concernés, quelle est sa préoccupation réelle. Peut-être que vous allez aller, vous allez partir investir 5 millions. Alors que lui, son besoin, c'est qui, c'est qui le préoccupe, c'est un truc de 5 millions les 100 millions là, elle ne va pas l'utiliser et ça va être un investissement inutile. Alors que si vous suivez ces, instructions ou du moins ces, volontés, c'est qu'avec 5 millions, il est satisfait. Et effectivement, cette question de, budget participatif permet aux citoyens de comprendre que, parce que pour la plupart des, des Nigériens, surtout nos parents des campagnes, ils pensent que quand on dit budget, c'est une caisse d'argent déposée, <laughs> le maire va seulement, il met sa main, il prend. Donc ils ont fini par comprendre que réellement, le budget, c'est d'avoir d'abord euh, une prévision et il faut chercher l'argent. Où est-ce qu'il faut chercher l'argent C'est vous qui avez dégagé vos besoins, c'est à vous de financer. Et ça évite aussi certaines situations où ils pensent qu'aujourd'hui, si on voit un maire avec une nouvelle chemise, on va penser que c'est l'argent qu'il a détenu pour pouvoir le faire. Donc ça crée la confiance. Ils savent, voilà ce qu'ils ont mobilisé par an, voilà ce qui a été fait de leur argent. Et ça euh, décourage ce qu'on appelle l'incivisme fiscal. Donc, tout le monde... revenir. Voilà. Donc, euh, oui, Je voulais ajouter, là, oui, cest dire qu'en réalité, bon, ce, qu'il vient de dire là, effectivement, hein, euh, donc c'est des fonds, si vous, voulez, le code minier qui prévoit effectivement que euh, les communes qui détiennent, euh, si vous voulez, donc des, richesses minières, naturellement, à leur extraction, en tout cas, ils, reçoivent un certain pourcentage par rapport aux taxes et, aux recettes d'impôts. Donc, il y a également, en plus de ça, par exemple, pour les communes urbaines, vous avez euh, les immobilisations, c'est-à-dire que euh, le foncier, le foncier effectivement euh, qui tourne autour de 20% à un moment donné, 24% c'est à un moment donné. Donc finalement, c'est l'État qui encaisse et doit reverser aux, communes. Mm-hmm. Et il y a cette fois des difficultés. Ensuite, vous avez par exemple les patentes. Donc les patentes, effectivement, ça va jusqu'à 40% qui sont versées aux communes. Donc euh, ensuite, maintenant, vous avez les taxes de marché, hein, vous avez effectivement les taxes des commerçants ambulants, et ensuite vous avez l'occupation des rues. Tout ça, ça fait partie, comme, en ce qui concerne les communes urbaines. Hein. c'est vrai qu'au niveau des communes rurales, il n'y a peut-être pas ça, mais euh, ça permet effectivement de renflouer la caisse de la commune. Et pour ce, qui, qui, concerne les dépenses, naturellement, euh, comme il a dit, il faut programmer. C'est-à-dire tout doit être programmé dans le budget. Et ce budget, il a été fait de manière euh, active avec la participation des populations concernées. Donc, et ça permet naturellement aussi de, suivre, parce que dans tous les cas, les conseils qui sont faits euh, tous les trois mois, mhm. euh, tous les villageois, par exemple, quand il s'agit d'un village, les gens peuvent venir prendre part. Maintenant, bon, ils n'ont pas effectivement la possibilité de parler, sauf s'ils ils sont interrogés effectivement pour un besoin ponctuel. Sinon, bon, dans tous les cas, ils suivent hein, les discussions. Mhm. Ils ont la, voilà, le loisir d'assister. Et maintenant, euh, pour ce qui concerne, euh, s'il y a un problème donné, naturellement, donc euh, on l'inscrit et de façon à ce qu'il soit discuté. Et les personnes ressources, telles que, en tout cas les, gens du village, les, citoyens ordinaires, peuvent effectivement constituer des personnes ressources et réagir par rapport à des données qui sont communiquées par le Conseil. D'accord. Donc, mais à quand remonte la première expérience ici au Niger pour le budget participatif Bon, nous, nous pouvons dire que c'est à partir de 2004, parce que la, la, décentralisation a commencé de manière réelle. Vous savez, à Niamey, ici, il y avait euh, trois communes. Mhm. Hein, euh, qui étaient placées sous la responsabilité des administrateurs délégués, hein, qui dépendaient du ministère de l'Intérieur. Et vous avez le budget qui était préparé effectivement et qui est contrôlé et qui est adopté en ce moment par le ministère de l'Intérieur. Donc, il ne devient exécutoire que lorsque le ministre délivre, hein, euh, disons, un papier d'adoption. Mm. Alors, euh, ce qui fait que ça, par rapport à ça, maintenant, vous avez, en 2004, vous avez la décentralisation. Et à partir du moment où les gens ont été élus, les gens ils euh, ne sont pas sortis de rien, ils ont été élus, donc c'est quand même un minimum de confiance qui a été accordé à eux. Donc ils travaillent naturellement avec donc les populations. c'est vrai que la, participation hein, dépend euh, si vous voulez, euh, euh, du principe que certains maires, vous savez, les comportements, il y a des comportements humains. donc, ce qui fait que sinon, tout ce que le maire doit faire, il lui-même, il doit être intéressé à communiquer de manière à ce que sa gestion soit participative. C'est ça le sens. Il, il, faut que les populations participent. Même si elles ne sont pas directement responsables, si vous voulez, des failles qu'il peut y avoir, mais c'est dans la conception du budget, dans le, déroulement, dans le déroulement, que ce soit en matière de recettes. Mais le, maire, il n'a que, si vous voulez, les populations auxquelles il doit se retourner pour dire, bon, ben, écoutez, nous avons proposé, parce que la loi des finances détermine, euh, euh, disons, les différents quotas maxima de, ceux qui a, imposé aux gens. Alors si effectivement euh, la réunion de la préparation du budget a déterminé par exemple bon la femme qui vend les galettes là au bord de la rue il faut lui donner il faut qu'elle donne 50 francs et que bon euh, par la suite, euh, les 50 n'entrent pas. Donc les gens, ils devraient y faire une, action de sensibilisation. Parce qu'en matière de, fonction, le maire, il est aussi, il a une fonction économique. Mhm. C'est-à-dire, il doit faire en sorte que sa commune euh, fasse les meilleures recettes possibles, naturellement, sans dévaliser les gens. C'est-à-dire, sans appauvrir les gens. <laughs> Parce que si les gens, si le niveau de taxation est élevé, ça appauvrit les gens. Donc il va de soi qu'il faut trouver un juste milieu et avec les discussions, la participation des uns et des autres, et on finit par ne pas trouver euh, la bonne solution. Voilà. Donc euh, les, les communautés, est-ce qu'elles sont conscientes euh, qu'elles participent à ce budget à travers le paiement des taxes Bon, je vais peut-être revenir un peu sur euh, la question que vous avez posée au, à Monsieur le maire. Quand est-ce que le budget participatif a commencé au mhm. Niger En fait, nous, la compréhension que nous avons du budget participatif, c'est n'est pas telle que euh, le maire l'a euh, décliné. Pour nous, la première des mesures, il va falloir que le Conseil décide à travers un acte, une délibération qui l'engage désormais à appliquer le budget participatif. Or, euh, cela, euh, à notre connaissance, nous avons commencé à le constater à partir des années 2000, euh, à la fin des années 2009, mhm. que ça a commencé. Notamment, il y avait des organismes tels que GIZ des acteurs de la société civile tels que Rotab, Alternative, qui ont commencé à approcher des communes et à accompagner les communes euh, sur, sur, ce, sur, sur, sur cet aspect-là. Mm. Maintenant, euh, comme je vous l'ai dit, puisque le budget participatif met le citoyen au cœur de la décision, mm. le citoyen... Euh, euh, s'est senti directement concerné parce que par le passé, c'est vrai, les conseillers sont des représentations de, des populations. Mais n'oubliez pas que les conseillers obéissent plus à la logique des partis qu'à la logique des populations qui les ont élus. Donc, à partir de, ce, de cet instant-là, il est souvent très difficile de faire la part des choses entre ce que le parti décide et ce que l'élu décide. De ce point de vue, lorsque les citoyens euh, sont euh, convoqués ou sont conviés, ils viennent dire voilà la réalité ou voilà ce qui, est leur, leur besoin. Il est évident que ce citoyen-là va se sentir responsabilisé et il est plus disposé à y contribuer. Nous pourrons donner des exemples. Euh, nous, quand on avait commencé à accompagner un certain nombre de communes, notamment la commune de Châte-Marie, mhm. la première année, quand ils ont commencé, ils ont fait déjà 100% de mobilisation des recettes internes. Et à la date d'aujourd'hui, ils le font. Bien entendu, le budget participatif varie euh, d'une communauté à une autre. Mhm. Euh, quand ils ont réuni les populations, ils ont expliqué, ils ont institué une pratique. C'est-à-dire, on fait un communiqué à la radio, euh, euh, comment on l'appelle, communautaire, mhm. pour dire que tel village a payé, tel village a payé, mhm. tel village a payé. Mhm. Donc, à partir de là, ça devient une euh, compétition. Chaque village voudrait qu'on dise qu'il est le premier à payer. Donc ça, ça a donc fait remonter d'un cran les recettes des, des, communes. Et toutes les communes que nous avons, nous accompagnons parce que nous avons accompagné presque une vingtaine mhm. de, communes. Vraiment, le premier aspect sur lequel euh, nous sommes satisfaits, mhm. c'est le degré de mobilisation des, ressources. Donc, ça veut dire que le citoyen est d'accord avec euh, ce qui se décide mhm. et par conséquent, il contribue mieux. Au-delà de ça, il y a aussi le partenaire. Vous savez, les partenaires techniques et financiers Lorsque vous partez avec un document, vous dites que c'est votre population qui s'est réunie pour dire que voilà son besoin. Mhm. C'est plus facile d'obtenir des financements. Je vous donne le cas de la commune de Walelewa. Mhm. La première année, quand elle a élaboré son premier budget participatif, elle a présenté aux partenaires. Mhm. Elle a eu énormément d'argent. Mhm. Jusqu'à un, certain moment, ceux qui n'avaient pas prévu, ils étaient obligés de revenir pour dire que bon, on va faire ça parce qu'ils ont eu mhm. énormément d'argent. Mhm. Donc voilà cet aspect-là où vraiment le citoyen nigérien, quand il a, euh, quand il a le sentiment d'être impliqué, et tout se décide par lui-même et pour lui-même, il est en mesure de faire le miracle. Merci Ilyasu Donc, euh, monsieur, comment peut-on expliquer le faible taux de recouvrement dans, certaines communes dans ce cas Oui, c'est-à-dire quand le citoyen, si vous voulez, bon, euh, les associations, puisque dans tous les cas, euh, ils sont représentés, que ce soit une collectivité, que ce soit un village ou, effectivement donc un quartier mhm. ou une tribu dans tous les cas, ils sont organisés autour de quelque chose. Donc, un point d'intérêt qui fait que les gens peuvent effectivement s'entendre, peuvent effectivement euh, faire quelque chose de constructif. Donc, euh, aussi, pourquoi 100% Parce que simplement, ils ont trouvé, euh, cest ça dit, de la juste moyenne qui permet naturellement aux gens de payer sans s'essouffler. C'est ce que ça veut dire. Mais naturellement, quand je disais que, et souvent aussi, ça dépend des collecteurs. Vous savez, quand pour une grande agglomération, euh, c'est vrai que euh, ceux qui sont chargés de la récupération, souvent ne versent pas la totalité de ce qu'ils ont reçu. Et en tout cas, dans les grandes villes, le plus souvent, c'est comme ça. Parce que euh, c'est vrai qu'il y a quand même un tableau de bord qui permet de savoir que l'année dernière, ou bien en tout cas à une époque donnée, hein, tel collecteur versait jusqu'à à, 100%. Il y en a qui vont jusqu'à 120%, ça dépend. mais comme vous constatez que ça... Y a mis à part le collecteur, est-ce qu'on peut parler aussi euh, pour les populations d'un fiscal Bon, le plus souvent, en tout cas ici à Niamey, moi je dirais que ce n'est pas de l'incivisme fiscal. Mhm. L'impôt, c'est vrai, il faut une certaine autorité pour le prendre. Mais souvent, quand vous-même, qui êtes responsable, disons, de lever les impôts, c'est-à-dire établir les différents avis, amener aux différentes familles et que les familles payent, mhm. si vous n'avez pas fait le minimum, il va de soi que les autres. Euh, bon, il y en a qui viendront payer d'eux-mêmes, certes. Mais euh, vous savez, souvent, c'est au niveau du chef de quartier. Souvent, les chefs de quartier, naturellement, ne s'en occupent pas. Ou bien, bon, quand l'argent leur est versé, au lieu d'aller à la commune, le reverser et prendre les reçus, ils ne font pas. comment remédier à ces problèmes en réalité, on peut remédier. On peut remédier dans la mesure où euh, donc nous, ce que nous avions mis en place à, un certain moment, c'était effectivement de prendre des gens, hein, euh, disons, leur donner euh, la latitude d'aller récupérer maison par maison. Ils ont d'abord, si vous voulez, la carte du, du, quartier. Ils ont également les différentes les noms avec les montants et ils délivrent des avis. Donc ces avis-là, dès que vous venez, bon, monsieur est là, on dit, ah non, le, patron n'est pas là. Bon, ben écoutez, tenez-lui, donnez-lui ça quand il vient. Vous lui dites que je repasserai dans une semaine, par exemple. Mhm. Donc, et vous faites le tour, vous encaissez. Notamment, c'est la taxe de Wadi ici au niveau de Niamey. Mais maintenant, pour ceux qui concernent, en tout cas ceux qui sont au bord de la route, ils payent régulièrement. Ils payent régulièrement, parce que la preuve, c'est qu'ils sont toujours là. Parce que s'ils ne payaient pas, euh, on leur arrache la place. <laughs> Donc, ils payent, ils payent régulièrement. Mais le problème qui se pose, c'est que l'argent ne, tombe pas au niveau des caisses de la commune, le plus souvent. Et c'est ça qui fait que, bon, on constate qu'il y a euh, une certaine délicatesse. Euh, euh, on peut considérer aussi qu'il s'agit d'un incivisme. Mais ce n'est pas de l'incivisme. C'est-à-dire, il suffit de fouiller, il y a quelqu'un qui a une caisse et qui ne reverse pas à la commune. Peut-être qu'il peut trouver ce quelqu'un-là. Oui, oui, oui. En principe, si ils sont connus. Ils sont connus puisque dans tous les cas, ils ont, ils ont souvent euh, ils, ont, ils ont déposé la, copie de leur carte d'identité, ils ont l'habilitation du maire de la, ville, et également, euh, ils viennent tous les jours, ou tous les deux jours, ou tous les trois jours, selon le cas, pour faire des versements. Mhm. Eux-mêmes, le plus souvent, ils ont des apprentis, ce qu'on appelle apprentis. Au Niger, vous savez, euh, ils ont des apprentis. eux, ils sont des patrons, et puis bon, c'est l'apprenti qui, qui fait le tour, qui ramasse l'argent et qui vient, qui le donne. Voilà, donc euh, ça fait, si vous voulez, chacun, sa sa part. D'accord. Euh, Iliassou, donc euh, est-ce que l'approche du budget participatif procure-t-elle des avantages pour les communes Si oui, lesquels oui, le, premier avantage, c'est que c'est l'enracinement de la démocratie à la base. Ça apprend aux citoyens c'est quoi la démocratie. Mhm. Ça permet aux citoyens de s'intéresser à la gestion de la chose publique. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça permet aux citoyens de renforcer sa citoyenneté en apprenant quels sont ses devoirs, quels sont ses droits. Et en apprenant qu'effectivement, quel que soit ce que vous avez comme euh, revendication, vous avez aussi euh, l'obligation d'accomplir vos devoirs. Un autre avantage, c'est que ça permet aussi à, euh, aux administrés de s'approcher plus de leur administration. Ça permet un échange euh, quotidien entre le, les deux groupes. L'autre euh, aspect, puisque le citoyen sait qu'il a contribué à la réalisation euh, d'un investissement, c'est qu'il va prendre plus soin de cet investissement-là et il va commencer à avoir de la considération pour le bien public. Dans notre culture, vous voyez, même en ville, même les citadins, dès qu'on dit que ça c'est un bien public, eh bien c'est banalisé et tout le monde. il pense que c'est pour l'État. Or l'État c'est tout le monde. Donc il y a cet aspect-là de citoyen, euh, de conscientisation, excusez-moi de l'expression, des citoyens à travers euh, la question du budget participatif. Ça permet aussi euh, aux communes, parce que généralement ça, ça, ça crée souvent de compréhension, par exemple, entre euh, les populations d'une telle localité à une telle localité, le, à travers, par exemple, les différents forats. Là. Mhm. Ça permet aux jeunes qui ne se connaissent pas de se retrouver et ça tisse des liens de, de, de, mhm. comment on l'appelle. Donc, mhm. dès qu'il y a une situation, on sait rapidement qui contacter et pouvoir circonscrire et avancer sur, sur l'ensemble de, ces questions. Mm. En termes d'investissement aussi, donc vraiment c'est ça les, les avantages. Mm. Ce n'est pas tous les avantages, mais il y a des inconvénients. Oui, l'inconvénient c'est que le budget participatif est coûteux, ça a un coût. Mm. Réunir par exemple les citoyens, euh, les, les, les, populations pour discuter, c'est que ça a un coût. Il faut assurer le déplacement de ceux qui vont venir de loin, il faut assurer la restauration de ceux qui vont venir. Il faut assurer là où ils, voient, ils, euh, doivent dormir. Un autre euh, inconvénient, c'est que généralement, quand c'est mal compris, ça crée une certaine euh, incompréhension entre les élus et les, et les délégués. Mm. Parce qu'il y a certains délégués, il y a certains élus qui pensent que eux, c'est déjà des représentants élus de cette communauté-là. Pourquoi mm. encore on va chercher d'autres représentants? Donc c'est comme, pour eux, c'est comme une substitution mm. des faits. Mm-hmm. Alors comment on l'appelle, pouvoir. Alors comment on leur explique que non, ce n'est pas ça, c'est juste, euh, oui, oui. Oui, voilà, c'est juste pour une proactivité. Mm-hmm. Et eux-mêmes, ça les protège en tant que lui parce qu'à travers le budget participatif, ça veut dire qu'ils sont en contact direct tout le temps avec leur, leur comment on l'appelle, mm-hmm. leurs électeurs. Alors que ce qu'on a constaté, euh, c'est la même chose que ce soit au niveau des, des, parlementaires, tout comme au niveau des élus. Certains, à partir du jour où ils sont déclarés élus, il faut attendre la prochaine élection pour qu'ils retournent voir les, comment on appelle les citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas Bon, c'est à vous de, de, juger. <laughs> non, ça travaillent à l'Assemblée, uh-huh. mais ne s'occupent pas, si vous voulez, des affaires de la localité donnée. Mais qui s'en occupe alors Mais bon, euh, c'est vrai que c'est non, c'est vrai que c'est le citoyen, mais l'administration, l'administration là-bas. Mm-hmm. Donc l'administration, vous avez dit député. Donc il y a une administration. Lui, c'est l'élu, c'est le législatif. Ok. Euh, euh, excusez, il y a un autre aspect important que je On est presque à court de temps, donc euh, je vais laisser la parole à M. Maman pour finir. Est-ce que finalement le dispositif participatif est favorable à une gouvernance locale vraiment ah, Il est excellent. Moi, je, le sais. Je sais qu'il est excellent. Seulement, effectivement, certains maires réussissent à le mettre en application. Parce que vous, savez, comme il, a dit lui-même, il faut que ce soit d'abord, que le principe soit affecté par le maire. Or, certains maires, effectivement, ne veulent pas voir leur gestion étalée euh, avec transparence. Certains maires. Donc, c'est un peu pour ça que. Mais c'est une très bonne chose. Je vous ai dit que c'est une excellente réforme. Effectivement, on pouvait l'imposer. Parce que mm. dans tous les cas, c'est à travers les texte. Ah si l'on pouvait l'imposer, parce que pour le moment, le texte ne prévoit pas ça. Mais néanmoins, euh, comme il a développé là, et donc, euh, on peut effectivement faire introduire une loi de façon à ce que tous les maires se sentent obligés d'appliquer le principe de budget participatif. Bon, pour nous, comme jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'était effectivement le fait qu'on soit les représentants, disons, des citoyens, donc, et euh, le fait aussi que les citoyens sont au courant de tout ce qui se passe, on leur communique, et en échange, naturellement, eux-mêmes, ils donnent leurs avis. Pour nous, ils ont quand même participé. Maintenant que c'est plus large, c'est-à-dire qu'il faut déjà euh, au premier abord que, le Conseil adopte le principe, euh, disons, de mettre en application euh, le budget participatif et son élaboration à travers naturellement les différentes échelles de représentation. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez rajouter ce que vous avez à dire. On a encore deux minutes. Oui, c'est que je, je, disais qu'il y a un palais important dans le processus du budget participatif, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser le citoyen en lui apprenant que cette euh, nouvelle donne, en fait, c'est pour lui, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, généralement, il y a un fossé qui se crée généralement entre euh, les administrés et l'administration. Donc il va falloir casser ces, mythes-là. Il faut dire que bon, il est possible de s'asseoir et de discuter. Particulièrement chez nous au Niger, ce que nous, au tout début, ce que nous avons eu comme difficulté autour de ce processus-là, c'est surtout la participation des, femmes. À un moment, ils pensaient que bon, même s'ils venaient, ils disent leurs préoccupations, les hommes vont dire que non, nous ne prenons pas en compte. Mais l'histoire a fini par démontrer qu'effectivement, c'était pas ce que réellement ils pensaient. Il y a une autre dimension, ça permet naturellement de prendre en considération l'ensemble des préoccupations et c'est un véritable vecteur de mobilisation des ressources. Actuellement, il y a une expérience dans le cadre du projet Oxfam euh, euh, que nous sommes en train de mettre euh, en place. Les femmes, à travers ce qu'on appelle les cellules de participation citoyenne qui fait le tour des différents marchés dans les communes où elle existe pour sensibiliser comment la nécessité de payer des impôts. Mm. Et à partir du moment où ils ont commencé, chaque euh, fois que nous partions vers ces communes-là, mm. ce que nous constatons une euh, augmentation euh, importante de, de leurs de mm. leur, de leur recette Donc vraiment, nous pensons que le budget participatif est vraiment une panacée pour la mauvaise gouvernance, pour le problème de la transparence. Parce que quand il y a la transparence, tout va marcher. D'accord. Mm. Donc euh, euh, voilà, nous sommes euh, au terme du forum du studio Kalangou consacré à comprendre le budget participatif, son utilité pour les administrés et la commune. Pour discuter de la thématique, euh, nous étions avec euh, Monsieur Ali Mamman, euh, conseiller de ville de Niamey, ancien maire de la commune 3 de Niamey, et Monsieur Ilyas Boubakar, membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à notre compagnie. Rendez-vous demain pour une autre thématique du forum du studio Kalangu. Au revoir.